économie, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, sociale et solidaire. Et solidaire. Mhm. Mais nous savons tenter. Mhm. Digante Macky Sall, ak Khalifa Sall, ak battre les ak qui, ñam na le Dialogue Bangok. Mais c'est ça le Sénégal. Mhm. Mais c'est ça, même nous, xéxanté. Non, non, mais demandez, demandez. même s'il y a des précédents. Ah, mais aussi, ah, euh, on il ne faut pas empêcher aux Sénégalais aussi de commander ces produits. Ah, mais d'accord, mais Sénégalais aussi, il ne faut pas les empêcher de commander les produits. Du temps où. Il y a des précédents aussi. Abdou Diouf était au pouvoir, Abdou Diouf était, euh, euh, était au pouvoir. Il y avait des précédents où le comportement qu'il a eu envers Abdou Diouf, nous avons dit que le fitna le Mhm. parce que nous avons des donc c'est pas parce que dañu avons gis ñu non mais non conclut que non au contraire Nous pays c'est un pays de gentleman. Hmm. nous sommes ah. mais il nous arrive de temps en temps malgré parfois des positions ça et là. Oui. Je peux me trouver dans un cafétéria avec Khafour. Effectivement. Avec tant d'autres. Ngombala wax na donner ñu mu dajal té ju téréwul ku nek am nga ce position. Donc les amis li am c'est une fierté. C'est une grande fierté. Très bien. Ça veut dire que moi au moins il faut que nous nous xam ne. Mhm. politique adversité la du xel du animosité. Mhm. te ñii aussi tey li ñu donc le def nii loolu donc dialogue bi dañuy la ñu war a waxtaan ñu waxtaan ko ñu jéem a trouver solution kii nga xamante ni nag man de man dama gëm loolu man. Mhm. muy Karim muy Khalifa. que dañoo war a bokk. que dañu war a bokk. très bien ci te bu fekkee ne. Mhm. une euh, ëpp na mhm. ña fa nekk ñi. Oh, uh-huh. juróomi nit lu parrainage mën demee élection du am tous. tous lañ duñ am. te c' les patrons t en guerre ñu bàyyi seen caaxaan dina dina dina ñëwaat ci loolu. maintenant on comprend les partis les plus légitimes. Mm-hmm. et ceux qui sont là les plus respectés. ñenn ñi dañuy dem ñenn ñi am na lu ñu wane. Mm-hmm. nee na jaxlo bi nit ñi toog waxtaan. waxtaan du si dara. D'accord. accord loolu la ñu bëgg a ñaan Sénégalais yi c'est-à-dire que suñu homme politique les acteurs politiques nous waxtaan. mais conclusion bu amee. Calmez le jeu. dinaa la benn fa de. Mhm. bis bu ñu waxtaanee. Mhm. mu am conclusion. celui qui ne respectera pas les conclusions il sera sanctionné. d'accord c'est clair. fortement par le peuple. sëñ Saliou mais Awar yow xanaa newoo dëgg bi. mais Omar yow yow yaa ngi wax comme si hier ay dialogue amu fi woon. kooku la mais y a eu des dialogues que le président n'a jamais respecté. Comme l'heure quand j'ai entendu Khafor en parler Khafor a du mal à dire réellement quels ont été les acquis. Hmm. mais Khafor je suis désolé mais dialogue en 2002-2019, jusqu'à 2021, mais tous les grands acquis c'est-à-dire tous les grands points ont été rejetés par le président de la République. la question du bulletin unique hmm. la révision des articles L29 L30 dañ ko de côté l'instauration euh, d'une autorité indépendante pour superviser les élections dañ côté c'était les principales revendications de l'opposition président a dit ko parce que parce que comme que il donc il était jugé parti aujourd'hui c'est-à-dire quelles sont les conditions pour pour un dialogue fructueux c'est d'abord la sincérité le président n'est pas sincère dans ce dialogue là ah bon ah oui sëñ Saliou est-ce que mënuñu non est-ce que bii yoon mënuñu. quand même non mënul sincère xam nga wala may bénéfice du doute le président de la République sur la sincérité non bénéfice du doute moo ci mënul am parce que y' a eu des c'est-à-dire y' a des des précédents aujourd'hui le président là gis nga dialogue bi muy jël nii genre arme la bu muy jël di ko agité nii sous forme de chantage. comment ça. ñëw leen wala ma def lii maa yore parrainage bi ba ngeen ñëwul ma ma teg ko seen kaw ma yore L29 L30 bu ngeen ñëwul ma teg ko seen kaw maa yore loi d'amnistie bi su ngeen ñëwul ma teg ko seen kaw mais y a une contrepartie que les Sénégalais ne se leurrent pas le président n'est pas si généreux politiquement xam ngeen ko c'est-à-dire que quand il appelle au dialogue moom mooy insister le demande le principal demandeur aujourd'hui c'est qui c'est lui c'est normal parce que il veut cautionner une troisième candidature loolu bu ci kenn lam-lamee wax yëpp mooy il veut avaliser une troisième candidature mais nak, dafa am contrepartie. loolu mooy wax bi du leneen man jàpp naa c'est un président sortant il n'a même pas à organiser un dialogue parce que mom de ci ki nga est beaucoup de ci c'est-à-dire xam lu ko war organiser une élection inclusive élections inclusives ba sénégalais yi ñu remercier ko mu dem. je crois que c'est rek la mën a def mais amul leneen loo xam président un président parce que dialogue est fi passé mhm. tous les points principaux qui ont été retenus amul dara ça a été appliqué. depuis 2016 ay dialogue di fi am di fi am vous pensez que c'est à quelques mois de la sortie du président ci la ñuy def un dialogue sincère. sauf que là il y a quelque chose qui change sauf que bi bi am changement sëñ ce qui change c'est que le président euh, du bokk 2024. Je ne la wax xam ne sais pas. ba donc mën nañ donc non bokkatul xam nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga nee na mhm. wax ji wax ji mooy le Sénégal dafa connaître un recul démocratique extraordinaire mhm. xam nga la moo la ko gis nga Macky bi mu ñëwee jël pouvoir bi mhm. am na yenn réforme yoo xam ne ni su ko amorcé woon ba samp ko tey phase dialogue sax dootuñu ko wax man j'ai l'impression que nous sommes dans les années avec l'organisation des conférences nationales parce que dialogue chaque fois qu'il y ñu ne opposition pouvoir les éternelles questions vont revenir fichier électoral autorité indépendante parrainage mm-hmm. toujours yooyu rek des ñëw mm-hmm. alors que 2012 c'était le moment nga il y a eu nañ ko vous pensez qu'en France les gens vont dire woo leen ñoom Mélenchon woo leen ñoom Macron wax leen ñu qui ñu waxtaan affaire fichier ay affaire parrainage vous vous pensez réellement non kay weesu nañ foofu ñun suñu démocratie dafa am dafa war a demal fi gana gii. Mhm. wala nga dem ak euh, comment dirais-je Cap Vert. doo fa deg sax ñu naan nañ opposition pouvoir ñu chaque fois ñu ngi dialogue déedéet loolu wess nañ ko. cest dit que fofu le rew mi toll. parce que aussi xamul tax. Mhm. ñun 2012 bi ñu tous les acquis démocratiques Macky da ko dijjati. ñu ne autorité indépendante qui organise les élections mu jël tek fele né loolu dootu fi amati leg mbay Ndiaye mo tax ne ñun ñoo gagné ñun ñoy superviser élections yi hmm. deuxièmement la question du parrainage.

dialogue bu mujj bi on a posé ça sur la table président jël ko tek ko fe kon naka ngay définir ñi ñi bëgg dem participer. non ça dit ñi bëgg a dem motax tax ma wax la. gis nga. tay bo xolé xam nga déjà ni ñu dialogué. c'est que y a déjà un pré-dialogue ba paré ah bon ah si y a un déjà un pré-dialogue. entre qui ñi nga fi gis yépp ñuy wax ni pré-dialogue vous pensez réellement que aujourd'hui le président ay ñom comment dirais du côté de Taxawu du côté du PDS vous ne pensez réellement que y' a pas eu des des des amul on ay émissaires yu dem waxtaan boobu ba vous pensez réellement que loolu amul. da ngeen peu xëy la dafa xëy xëy rek toog tudd Karim Wade tout tudd Khalifa Sall sans pour autant que au préalable am ay émissaires yu waxtaan ak ñoom vous le pensez réellement on est en politique yéen tamit président bi li tax mu am sañ-sañ toog tudd ñaar nit Karim a xaar Khalifa a xaar parce que déjà parce que am lu ci am ba pare. c'est une revendication de l'opposition ah, non c'est pas une waxuma sax. man dama jéggi man dama jéggi foofu lool ça a may ma ça a toujours été une revendication de l'opposition en deux mille en deux mille dix neuf. waaw ah, may ma rek dama ne amoon na fi. waaw mi xam Omar. Omar même bu dee bu ko defee baax na. même bu dee Omar man je suis man je suis convaincu d'une chose. Ah. ce dialogue là n'est pas ce dialogue n'est pas sincère. politiquement politiquement mais mais ce dialogue n'est pas sincère. et puis dama ne may ma rek may ma rek malgré tout ce qui s'est passé. oui Omar. ngay wax ay dafa ndànk rek malgré non dafa ndànk rek. man dama la bëgg wax benn affaire. baromètre bi lan la du élection. waaw non xam nga. malgré tout ce qui s'est passé avec Macky Sall. def na lii def na lële. législative yi on a vu ce qui s'est passé. Mhm. C'est le seul parti au pouvoir qui n'a jamais tenu de bah c'est le seul président, c'est le seul président aujourd'hui. Mon élection législative, mhm. en deuxième mandat, mhm. opposition à autant de députés. D'accord, ah, c'est Alors, c'est un signal. D'accord, Omar. Parce que, le résultat législatif, c'est simple parce que le troisième mandat loolu moo indi résultat yi mais s'il était clair avec le peuple depuis le début wax ni man. man de troisième mandat résultat bi ce que je veux comprendre donc que le euh, fruit de cas Khalifa Ababakar Sall ak euh, euh, Karim Wade. dafa un cas boo xamante quand même il yàgg a wax dañ leen war a ñu participer ci mais xam nga donc suñu sommes d'accord avec le dañuy dem président de la République. est-ce que war na une surprise xam nga voilà voilà l'échec du président voilà l'échec de la justice dans ce pays. Hmm parce que ce problème de Khalifa Sall ce problème de comment dire de de Karim Wade du dialogue politique ça c'est un problème de justice justice man et je l'ai toujours soutenu et en cela aussi des magistrats l'ont soutenu j'ai dit que Karim Wade Khalifa Sall personne n'a perdu ses droits civiques personne a perdu ses droits civiques Nous ñoo des passages en force le code électoral bi et là c'est extrêmement grave on a tripatouillé le le le code électoral mm-hmm dugal ci ay mots yoo xam ne pour éliminer pour éliminer des candidats. bañ ko defee non même non dama parenthèse bu ndaw la rek. moom laa non man chanter dénoncé man waxuma lu ma ci man lu ma ci. parenthèse bu ndaw la dama ne mhm. man dama ne. Mhm. ñiy def loolu. waaw c'est pas ces gens-là devenir ñi nga xam ñoo def loolu pour génn ci ay nit. Mhm. du ñooñu ñooy taxaw ju ne tey ñooñu ñu génne woon ñun dañ leen bëgg a dugalaat man je ne crois pas à ce discours-là xam justice mo dal seen kaw justice mo len ci waroon a mhm. mais c'est pas autour d'un finalement xam nga ça prend les comptes d'un dialogue C'est pas un dialogue c' un dialogue ay dil lañ fa nara def parce que xamul mhm. Mhm. pour favoriser des gens pour les faire revenir dans un gel et en même temps mais vous pensez vraiment et en même que temps et en même temps aussi Sall day deal ak président de la république et en euh, même temps non dafa nag c'est-à-dire aujourd'hui on est en politique oui li ki di bagn nit ñi di ko wax on a vu des photos yo xamante ne oui parce que ces photos là ça détonne avec les photos yi je xam que quand Macky Sall allait présenter ses condoléances à Khalifa Sall. photo yi dafa wóoroo non so maintenant la distance qu'il y avait entre les deux. quand je vois la radicalité de Barthélémy Diaz. je waxoon ne moom. du dem en peinture quand vous tu vois y' a des bisounours par-ci par-là des accolades par-là mais tu ne peux pas interpréter. y' a des compromis partout. non des compromissions. non y' a des compromis. des compromissions. alors il y' a des compromissions. des non non c'est des compromissions. quand on parle de compromis c'est-à-dire mais mais euh, que Mm-hmm. et que et que Omar aussi non non parce que dans nga am loo. il a soulevé un point. Il a soulevé un non il faut aller jusqu'au bout de ta ce ne sont pas des compromis ce des compromis. c'est des compromissions. comment parce que non quand ça ne concerne qu'un seul groupe. quand on parle de compromis compromis c'est l'intérêt collectif. D'accord. mais lui, c'est des intérêts particuliers.